de Khibari, euh, sa réaction par rapport à cette euh, conférence de presse. voilà conférence de presse c'est c'est de la diversion hein, c'est normal. Mhm. parce que pour nous, euh, les sénégalais il faut tout le temps les embarquer. dans l'étouffement de leur intelligence. C'est-à-dire mm -hmm. raisonné, raisonner, penser que c'est normal, ne présente pas le, pas. le retrait de carte de parrainage, ce n'est qu'un alibi, mais à mon sens, même si on retire, on nous, à partir avec la justice et au vu des condamnations il a subir et à la défiance qu'il a eu à faire envers la justice au Sénégal mhm. et de pouvoir être candidat. Donc c'est une c'est des étapes qui n'ont pas de d'effet, qui n'ont pas de sens, pour que ça, même leur parrainage n'a pas de sens, n'a pas d'état, parce que étant, étant dissous, son corps est fort clos. Mhm. Il y a la mesure de sûreté, il y a des choses, c'est extrajudiciaire. Mm C'est la théorie évoquée Ousmane Soko a eu un comportement dans le temps et dans l'espace qui est de nature à compromettre la sécurité et la sûreté de l'État. Mhm. C'est une mise en danger. Et la mesure de sûreté a été prise par les autorités légalement investies de pouvoir. Mm. En conséquence, mon non obstance sur le plan judiciaire, ben réew normal bu responsable, responsabilité ça me au président de la république. Mhm. de de son passif il a un passif le premier passif c'est quoi le fait d'être renvoyé aux inspecteurs de domaine en tant que fonctionnaire de la RH A1 pour divulgation de secrets professionnels, mhm. c'est un emprunt de l'article 34 du, Code pénal. Mhm. La dégradation civique, de fait, est venue devrait venir et il ne devait pas être même leader de parti, mhm. ni créer un parti, ni être député, ni être maire ou président de la République. Mhm. Mais ça a été de la manque de vigilance. Parce qu'on ne peut pas se permettre dans un État où un fonctionnaire fait une faute aussi grave et qu'on le laisse devenir le président de la République du Sénégal. Mhm. C'est une aberration. Mm. de forme là. Dolly, son comportement, um, il a mis le Sénégal en danger et vulnérabilisé les institutions de l'État jusqu'à ce qu'il ait maille à partir avec la justice avec des infractions c'est des infractions dûment qualifiées mhm. et qui sont prévues par le code pénal mhm. et que la procédure qui lui est applicable aussi est de même donc en conséquence ce qu'ils font c'est de la diversion mhm. parce chaque jour ils cherchent à divertir les Sénégalais à les occuper à étouffer leur intelligence à, les embarquer parce qu'ils ne les respectent pas, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas intelligents. Mhm. loolu c'est une stratégie ils disent que sénégalais yomb nañoo embarquer yomb nañoo yóbbu donc nous continuons de les wax. Mhm. mais ils n'ont qu'à se aller se reposer parce que c'est c'est sans résultat. d'accord Sans wax nga c'est une diversion mais il y a une diversion qui fait euh, peur au régime actuel au régime du président euh, Macky Sall Il euh, y nga xamante ne yéenay jàppal que Amadou Ba qui est la candidature de Bernard Bokyaka. Akar mais ça ne peut pas faire peur à quelqu'un parce que ce c'est pas des une stratégie politique haute, c'est des infractionnels. Ils, sont, ils sont tout le temps en porte-à-faux avec la loi et les règlements du pays. Donc, ils n'ont pas à pas qui que ce soit. Ils ont affaire avec la justice de tout temps et avec les forces de sécurité. Mhm. Parce qu'ils font des troubles à l'ordre public, mhm. ils font une atteinte à la suite de l'État. Donc, ils ont c'est un état doux quand même si l'état n'était pas doux mais nous, am parce qu'ils devraient tous être en prison. Tu mhm. euh, rencontre bi la ñuy Bataille, avec ki qui a fait des révélations des révélations de taille jëm ci un sondage sondage électoral au 2024 pour la présidentielle de 2024 qui dit que euh, ci sondage 60 du le président Ousmane Sonko gagne les élections présidentielles. Sonko les deux tiers de ceux qui le suivent sont des mineurs moo tax bu daam waxee dafa ay enfants la ñuy génn ñuy topp Auchan yi def ko événement def ko non am il il que des mineurs. Mhm. gosses yi mu am yëpp di wax ils ont moins de 18 ans. les les moi les gens ont fait le sondage. Mhm. tous les 60 des personnes qui sortent au Sénégal et qui le suivent. Mhm. les 40 sont des mineurs. sont même pas inscrits et c'est des mineurs. c'est des mineurs. Parce que c'est facile au Sénégal d'avoir euh, embarqué Ben Edni, embarqué des, des rebuffés de la société, mm. embarqué des frustrés. C'est facile, mais malheureusement pour eux, ils n'ont que des mineurs qui n'ont même pas de carte pour voter. Donc ils perdent leur temps, mais c'est eux qui auront la grosse surprise parce qu'ils n'ont que des mineurs. Et c'est des mineurs candidats au, candidats au pillage. Ils n'ont pas de candidats. <laughs> non, c'est des candidats au piège. Et que les, quelques gens qui le suivent, c'est des hein. gens qui, sont vexés, hein. qui n'ont pas de, stratégie et qui hein. pensent qu'ils ne peuvent pas réussir d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas réussir d'eux-mêmes. Beaucoup de gens qui le suivent pensent qu'ils ne peuvent pas réussir d'eux-mêmes. Mais quest il y a état xam fonctionnement état comment tu peux faire pour survivre et pour travailler et participer au développement du pays et quelqu'un qui se sent appartenir à l'État du Sénégal, mais tu ne règles pas avec ce monsieur, bien ramené. Toute son stratégie, c'est de, piéger les, investisseurs étrangers qui ont besoin de, de, notre pétrole et de notre gaz. C'est la vente de, l'ours avant la, de la, peau de l'ours. C'est une vente de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mhm. C'est pour cela qu'ils ne pourront jamais rester calmes. Mhm. Ils ne resteront jamais calmes parce qu'ils ont des contrats moraux qui les contraignent à extérioriser leur, leur acte et leur, et leur inquiétude. D'accord. Vous croyez que la masse binga xamantene moy foule binga xamantene moy Pour le président Ousmane Sonko ci yenn ci ay caravane ak a euh, ay manifestation c'est des jeunes, mais mën nañ japp aussi la masse silencieuse ñom ñu ngi tok japp Peut-être vous vous croyez que c'est des jeunes ay jeunes euh, Ousmane Sonko celui qui le, qui le supporte et qui votera par lui, avec pour lui s'autolisera. Xaro lañuy def. Man ma ah Le Sénégal sera en cessation de paiement. Il y aura des troubles il y aura des, personnes étrangères qui vont compromettre l'existence des tarifs au Sénégal. Il y a des gens. Mais M. Kanye, il y a quoi mais euh, sondage, ak linga des mom qui au devant de la scène, euh, l'enen est. Non, c'est-à-dire c'est du poudrage là. Parce que c'est des gens qui veulent, désirent de paraître être un facteur criminogène. Mm. Il n'y a que des gens qui sont des des professeurs. dans quel pays du monde devant la scène Tous ceux qui suivent viennent des Dara et des, et des, et Et que c'est très simple quand des gens qui n'ont pas fait l'école, qui n'ont aucune qualification, qui ont été Domidara, c'est bon mais quand ils renoncent à leur d'arrêt, pour te ci parce qu'ils pensent maintenant que tu peux être tout dans le pays mhm. mais ça pose problème là même vous avez vu que tous ceux qui parlent là même dans le net c'est des gens des dara qui viennent de nulle part qui viennent de dara ils disent Domi pensant qu'ils vont se substituer à l'autre. mais il y a aussi euh, électorat qui sondage Ousmane Sonko euh, ci sondage yi nga xamante jot nañ ko def muy révélation yi nga xamante dambo def nako ci conférence de presse bi Ousmane Sonko mo nek au devant de la scène lolou mom il faut il faut il faut le fait qu'il est au devant de la scène c'était le fait de diaboliser un État pour faire comprendre à tous ceux qui échouent, qui ont été renvoyés à l'école, ceux qui ont perdu leur femme ceux ceux qui n'ont pas de maison, les repris de justice, les drogués, et autres. En Europe, les États-Unis, les gens ont recensé. Mhm. Le FBI et autres ont recensé tout ce qui le supporte. Ils ont dit que tout ça, c'est des drogués. Ils ont repéré que tous, ils sont dans les trafics, dans les drogues, dans les faux. C'est des gens qui ne sont pas crédibles. Mais ce que vous dites, M. c'est des révélations graves. Mais, mais il y en a qui sont crédibilité. Ce ne sont pas des gens crédibles. Ils n'ont même pas... Des drogués. Mais il y en a en pagaille. Mais les gars là, sur les bas dans les télés là, ils filment leur, leur là et autres là, ils parlent. Il y a que, et puis il y a une connotation d'insécurité et la sûreté de l'État et ils ne l'ignorent pas. Mhm. Parce que nous sommes dans un pays où il y a une rébellion latente. On a vu tout ce qui s'est passé et la violence unie et les armes qui ont été utilisées. Et que pour eux, ils laissaient le jeu. Ils pensent que leur intelligence leur permet de se discuter. Ils se trompent. Parce qu'ils avaient devant eux quelqu'un qui est fer un il ils les auraient mis tous en prison. Parce que le jeu qu'ils jouent, parce que nous sommes dans un État démocratique où le président n'a pas voulu avoir donné l'impression de lutter contre un adversaire Or que ce n'est pas le cas. Nous avons devant nous des terroristes, des agresseurs et des gens violents et qui sont des pires et qui ont de l'intelligence avec l'ennemi, parce que rien n'est plus grave dans un État qui fonctionne normalement, avec, dans le monde où le, le pétrole et le gaz constituent des facteurs défavorisants de, ordres désordre public, mhm. et que de, ne parler que de ça, et puis on a vu tous les mécanismes. Les gens ne sont pas bêtes, ils connaissent les mécanismes, ils connaissent les causes. Et les conséquences, c'est le fait de mettre le Sénégal en feu et en centre, c'est mhm. tout. Mhm. c'est euh, les éliminer des élections prochaines, c'est une stratégie sécuritaire, mais ce n'est pas une stratégie politique. Mhm. Il faut tout mettre en œuvre pour les empêcher de participer aux élections parce que c'est des criminels, des fauteurs. Mhm. Ils ont fait des fautes, ils, ont fait, ont, ils ont fait perdre des milliards à des citoyens sénégalais ils ont compromis la sécurité intérieure et extérieure du pays. Ils ont fait de l'intelligence avec l'ennemi. Mhm, mhm. Euh, d'accord. Nous avons ci benen euh, actualité avec la direction générale des euh, élections, la DGE qui refuse aussi de donner les fiches ou bien la fiche de parrainage d'Ousmane Sonko votre réaction là-dessus C'est normal parce qu'on ne peut pas réclamer un droit dicté par une ordonnance ou bien un jugement, un arrêt sans l'avoir signifié. Ils n'ont pas compris ce qu'ils devraient faire. Mais le, juge Sabassi Faye a donné la Non, il le donne. Il a donné au préfet. les gens, in fine, ont été cités dans l'ordonnance. Chacun doit avoir une signification normale. Et que, quand euh, ils sont venus à Dakar, mais voilà un député orgueilleux là qui se met devant, mhm. comment tu veux réclamer des droits sur une, ordonnance et que tu te mets devant l'huissier Tu ne peux pas aller avant l'huissier et concomitant avec lui. Il faut que l'huissier aille signifier d'abord et, le, retour de, de, la signification mhm. et que tu aies la copie pour que tu ailles régler l'ordre. Mais notification bi jox nañ ko Non joxu ko a dugg Quelqu'un peut refuser de prendre une, une, signification et là-bas ils n'ont qu'à faire un recours à excès de pouvoir ils savent qu'ils doivent faire un rep. Ils refusent de le faire parce que buñ ko defee balay rep bi di de où ça sera en décembre, les parrainages seront clôturés. Mais c'est de bonne guerre. En droit, on se protège et on se défend. Mhm. L'essentiel en droit, celui qui a la possibilité d'avoir des recours ou des incidents de droit, tu as le droit de le faire. Ce qu'ils disent là, c'est la même chose qu'ils refusaient de comparaître, refusaient d'aller à la gendarmerie, refusaient d'aller à la police, refusaient d'aller au tribunal comparaître. Ils n'ont pas, ils ne peuvent pas avoir raison, eux, sur qui que ce soit, parce que M. Ousmane Sonko et Pastef ont défié la justice, ont défié tout le monde. Maintenant, ils ont fait une erreur de forme dans la signification de, de l'ordonnance mhm. et que le député a devant celui-ci, on les inconduit

yow ñu ne la am nga kayit goo génné tribunal huissier bi di ñew nga jiitu ko ñew ne ko génna du génn bo ànd ak huissier bi danaa la du jël c'est comme ça xamuñu lu ñuy def bop lañuy doxé parce que c'est une horde de personnes qui n'ont pas l'intelligence requise ni l'éducation d'accord mais du côté bobo aussi euh, qu'on se dise la vérité comme la décision euh, juge Sabassi ça ne veut rien dire pourquoi yéen lan motax nangul décision ça ne veut rien dire pourquoi ne pas adhérer la décision c'est le vicieuse. la forme de la de l'assignation est le vicieuse la notification et la signification sont vicieuses. Mais, mais, mais le gars, il ne prend pas. Maintenant, ils n'ont qu'à faire recours au droit. Quel est leur problème Le monsieur là, il est, directeur de service, il répond est-ce non, est-ce qualité. Il a dit que je ne prends pas dans la forme de signification. Maintenant, ils pensent qu'ils sont dans le droit. Monsieur refuse, mais ils n'ont qu'à aller, signifier à mairie et faire un recours en excès de pouvoir. C'est ça le problème. Mhm. Tout ce qu'ils disent là, j'ai vu les maires sortir, j'ai vu qu'il a sauté quelque chose. Il a dit des, des, exécutions comme signification contre l'État, mais il dit que c'est l'État civil. Mais on n'a pas mentionné dans le texte État civil. Mm. Oh non, non, on a dit État et l'État égale E accent. E E euh, égale majuscule T à T. Mhm. Ça veut dire que c'est l'État. Mhm. Le Sénégal est un État. On l'exécute comme, pas comme ça un État. Mhm. Euh, ci ci ci ci ci décision bi bataille ci décision bu juge Sabassi Faye foofee ca Ziguinchor gisoon nañu ni defoon un benn recours mais à la dernière minute. c'était la récusation la récusation c'est une procédure qui est prévue par la loi par le code de procédure pénale à chaque fois que le juge

yow sax boo jotee ak moom wala mu am bu dee sa côté nga am ak moom problème comme beneen côté bi la problème sax wala mu am ñoom accointance am fa jabar nijaayam takk fa jabar frèram nangam loolu mooy récusation mooy da koy weddi doo nangu mu àtte parce que mënta jubal mhm. ndax dafa am intérêt loolu mooy récusation ñoom bu ko demee dans la c'est parce que les débats étaient partis mais l'État savait que lii day am recours day am recours et puis la, la le jugement pour le, la. la lan moo tax désister non parce que c'était pas la peine de cumuler des procédures parce qu'il y a un recours qui est une voie de droit on infirme on confirme Ousmane Sonko n'a rien gagné. c'est-à-dire dañuy taral mais loolu yéen yéen koy wax. Euh, mais non gagnéwul texte bi xam nga y'a l'esprit décision ñun ci décision bi nga xamante décision bi ñuy def l'esprit dafa dafa am l'esprit dafa am l'esprit et la lettre le code donc il parle là il parle d'état État, on n'exécute pas comme ça un État. L'État, il assure la sécurité et la d'un pays. Parce qu'il ne peut pas être dissous. Incidemment, on n'a pas